Ababakar Si koo xool doo xooli leneen ku la daj doo lamb leneen فايدهم كنين يا يردين جام بيك والله دخل لمن ودجا ولب لنا تكلا فايدهم كنين يا يردين جام لو صوتي لله خي وقينا سبيبتي صوتي لله خي وقينا سبيبتي لدي الشيخ شريف وخي سلال دير Al le calife une appellation sous laquelle Serigne Babacar était connu intra et extramuros Al Khalifa attribue plus qu'épithète conscience et autorité au service d'un magistère qui avait franchi nos frontières. Né en 1885 à Andar, Serine Babakarsi a été rappelé à Dieu le lundi 25 mars 1957 à Tiwawan. En 1922, l'âge Haji réunit ses principaux mokadem en présence de son fils Babacar et leur parla. Je confie à Babacar ma progéniture céleste et terrestre. Soyez-en témoins, leur déclara-t-il. Peu de temps après, Maudo s'éteignit, laissant à Serine Babacar sa succession à la tête de la Tijania. Euh, portant des signes de sainteté évidents, mettant tous ses actes et propos en adéquation avec sa haute mission, Cheikh Al-Khalifa ne tarda pas à être consacré dépositaire suprême de l'initiation de la confrérie. Selon les milieux autorisés, cette consécration avait été inspirée par le maître de la voie lui-même d'où l'allégeance de la Zawiya mère d'Aïn Mahdi, où naquit celle du Cheikh Ahmed Tijani, et celle de la Zawiya de Fès, où se trouve son mausolée. Théologien intransigeant sur l'unicité et la transcendance d'Allah, Selim Babakarsi a intensément vécu à la lumière du Coran. Son credo était la fidélité à la sunna du prophète Sayyiduna Muhammad, le parfait exemple. Docteur de la loi, il était la référence de plusieurs oulomans à l'intérieur du pays et à l'étranger. Soufi, il a beaucoup œuvré pour le soufisme populaire en tant qu'école de vertu, voie de purification et levain de l'élan du disciple vers Dieu. Dans le domaine de la littérature, Cheikh Al-Khalifa est l'auteur de plusieurs ouvrages à thème religieux. Il a également écrit des poèmes à caractère social ou philosophique dans lesquels la vocation islamique de l'homme occupe une place nodale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, face aux souffrances des peuples, Cheikh Al-Khalifa, dans une retraite spirituelle spéciale, composa une forte et émouvante oraison. Le double objectif de cette invocation de haute portée mystico-poétique était la fin du conflit et la destruction de l'idéologie raciste du Troisième Reich. Hitler et le nazisme connurent alors une défaite historique. La France exprima toute sa reconnaissance au calife en le faisant commandeur de la Légion d'honneur. Guide au-dessus des contingences matérielles, Serine Babakarsi n'a jamais succombé aux vanités de ce monde. À ce sujet, l'histoire a retenu ceci. Un après-midi à Dakar, sur ces images, dans le bureau du gouverneur général de l'AOF, en l'occurrence Bernard Cornu-Gentil, ce dernier lui demandait d'exprimer tout ses besoins afin qu'il fussent satisfaits. Alors, la réponse de Serine Babakarsi tomba dru. Je n'ai qu'un seul désir, c'est de voir cette audience prendre fin avant l'heure de la prière canonique. Voilà cher Al-Khalifa, dont le message sublime continue d'éclairer des âmes près d'un demi-siècle après sa disparition. Chaque jour, à l'ombre des minarets qu'il a édifiés à la gloire du Créateur, les fidèles, unis dans le culte exclusif de Dieu, continue de prier et de s'inspirer de son exemple dans l'imitation du sceau des messagers, Sayyiduna Muhammad, incarnation de la miséricorde divine, celui qui a rendu l'homme à Dieu et Dieu à l'homme, selon l'expression d'un non-musulman et célèbre auteur. xooloo kenn ngir jëfam jàppoo kenn ngir matam seetoo kenn ciy waxam yaa deel jaay dooñoo kenn ngir manam xeeboo kenn cew sasam biiroo kenn ngir dëngam yaa deel jaay cam yéemoo ngir bindam ñeewoo kenn ngir amam woowoo kenn ngir daram yaa deel jaay xooloo kenn ngir jëfam jàppoo kenn ngir matam seetoo kenn ci waxal yaa deel jaay doñoo kenn ngir manam xeeboo kenn ci sasam biiroo kenn ngir dangam yaa deen jaay kon yëngaloo diine ngir ragal baat sharia xalifa yëngaloo diine ngir ragal baat sharia xalifa yëngaloo diine ngir ragal baat sharia li nu yittewoo tey ci mbir mi moo di waxtaane dundu sheikh al khalifa radiyallahu anhu loolu nag yomb na jafe na yomb na ci doo tënkee دندم جتيني شيخ الخليفة جيخل نك لب تي دبوك القرآن أك دندل سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم jafe na ndax sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu gàttoon na ba kenn mënu ko jéggi guddoon na ba kenn mënu ko tëb ba tax na mbiram daal mbir mu rëy la mbir mu màgg la moom nag mi ngi gane àdduna ca Ndar atum 1885 ci kër gii di kër waajuram wu tedd wa ridwanullah alayhi Seydil Hadj Malick Sy fi la leeru sëñ Babacar dikke ci àdduna kër gi sorewula juma ndar ca looda mbedd mi nag tey fi tey moom lañu ko tudde ndax jamono ya cheikh al doon gane àdduna ñu ngi ko tudde woon André la Bon tey fi tey nag ñu ngi ko tuddee Serigne Babacar si mu nekk boon ci gox bi ca Ndar. ni mu ko waxee mu ngi juddoon Ndar ci jigéenu doomu ndar ju tedd ñun famille bu cosaani ca ndar eh, imraatun ndariya asila ismuha soxna roqeetu njaay ñun abin tukulóor yin ismuhu alxaaji